le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou auditeurs et auditrices du studio Kalangou, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou, votre émission quotidienne qui apporte des réponses aux préoccupations des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce au réseau des 20 radios partenaires basés dans les chefs-lieux des régions du Niger et dans les localités d'Arlit, de Chirozérine, de Ménesoroa, de Magaria, de Tamaské, de Bouzou Dolbel et Il est 18h passé de 15 minutes. Le forum de ce soir traitera de la question de la Umrah, de la Zakat el et du comportement du musulman après Ramadan. L'étymologie du terme Umrah signifie visite, mais son sens religieux est le fait de visiter la maison sacrée à n'importe quel moment de l'année dans le but d'effectuer des rites spécifiques. Umra est obligatoire seulement une fois de la vie du musulman, comme le pèlerinage. Ainsi, selon plusieurs religieux, les mérites de la Umrah sont donc nombreux, surtout si celle-ci est effectuée durant le mois sacré de Ramadan. Le mois de Ramadan, qui tire d'ailleurs à sa fin, en effet, dans probablement trois ou quatre jours, la communauté musulmane célébrera la fête d'Eid el-Fitr à travers le monde entier. Lorsque le Ramadan touche à sa fin, les musulmans se trouvent devant une obligation pour clôturer ce mois, celle de s'acquitter de la zakat el-Fitr, une zakat considérée comme une aumône purificatrice à la fin du mois de Ramadan. Ainsi, pour développer ces thématiques, dans un premier temps, nous verrons la signification de la Umra et ses mérites, Ensuite, nous découvrirons ce qu'est la zakat el fitra. pourquoi donner cette zakat, qui a l'obligation de donner la zakat el fitra à qui la donner, comment procéder et quel moment de la journée donner la zakat el-fitra. Enfin, nous parlerons du comportement que doit adopter le musulman après le ramadan, ainsi que les mérites du jeûne de six jours de shawwal après ramadan. Avec nous ce soir pour débattre de toutes ces questions, Oustaza Haladou Yahya, prédicateur. Bonsoir Oustaz. Bonsoir. Nous avons également Oustaz Abdul Fattah, il est aussi prédicateur. Bonsoir à vous. Bonsoir. À la présentation, Nefis Adam Sirfo. Je disais tantôt, la Omra, cette forme du Hajj à la Mecque, est communément appelée petit Hajj ou petit pèlerinage. Oustaz Abdul Fattah, tout d'abord, euh, quelle définition l'islam donne de la Omra Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Muhammadun alam al-huda wa manar al-yaqin. Inch'Allah, Omra d'abord, visite. Et qu'est-ce qu'on doit visiter On doit visiter la maison de Dieu qui se trouve précisément à la Mecque et à quelle période on doit faire Umra. Umra n'a pas une période spécifique. Mais si l'on veut encore ajouter de la valeur à sa Umra, il serait encore recommandé de faire ça pendant le mois de Ramadan, tel que le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque euh, effectue euh, Umra pendant le mois de Ramadan, c'est comme s'il a fait le pèlerinage avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et accomplir Umra, c'est pour avoir ses péchés pardonnés. Et le prophète nous a fait savoir, sallallahu alayhi wa sallam, Umrah après Umrah, non seulement efface les péchés, et ça donne aussi la richesse. Je reviendrai vers vous, Oustaz euh, Haladou Yahya. La Umrah est ce une obligation pour tout musulman أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. La Umara, c'est une sunna, comme on vient de l'entendre. Et D'après les chèques, il y a seulement une période plus valeureuse pendant le mois béni de Ramadan. Donc, elle requiert euh, ici la valeur d'une obligation. Donc, euh, c'est une sunnat, c'est très important parce qu'elle permet aux fidèles de se ressourcer à travers la Oumara. Au lieu où on fait la Oumara, il a dit maison sacrée. Au lieu où on fait la Oumara, on suit les traces du prophète Ibrahim avec sa famille. Donc c'est sur, sur cette histoire euh, de ce prophète de foi qui a marqué ce foi et même de sa femme, parce que ce sont les deux aspects qui constituent les piliers de cette Oumara. Donc la surcombination autour de la Kaaba et le Sahel donc les vases et de la Safa et Marwa. Donc historiquement, ça, permet aux fidèles de se ressourcer. Le sacrifice que Hajar a fait, la mère Ibrahim qui est la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était posée à un moment où cet endroit était désert, donc pour le dire euh, brousse, sauf que Allah l'a rendu sacré, lui a donné un caractère particulier. Donc cette histoire très profonde et avec des événements assez particuliers comme l'apparition de l'eau de Zanzam, qui est marquée par cette euh, foi, non seulement du prophète, mais de Hajar qu'il a dû laisser à ses Donc par soumission, au nom de la soumission à Allah. Quel bel exemple donc le fidèle en allant faire la Umrah, il se ressource. Non seulement que tout doit être fait, et accompagné avec des zikrs, des formules, euh, de rappel de Dieu, de la grandeur de Dieu, de son omniscience. Donc c'est le fidèle revit des événements gigantesques, hmm. des événements historiques, des événements fondamentaux dans l'évolution de l'histoire de la révélation et même de la révélation donc d'un prophète à l'autre mais de l'histoire de la révélation faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa parce que le prophète aussi a marqué sa vie, a mené une vie et beaucoup de vies pleines d'histoire au tel de d'Akaba. Mhm. Et surtout, pour, c'est pourquoi il est important d'avoir un minimum de culture pour aller faire la Umara C'est en ce moment qu'on peut avoir beaucoup de recueillements. Quand on se rappelle de ce que le prophète a connu avec ses compagnons, il y a eu beaucoup d'histoires côté de la Kaaba et il y a eu beaucoup d'histoires et aux à la Mecque et aux, à ses environs. Donc le fait de vivre, de faire la Oumara, ça nous permet de nous ressourcer, de relancer notre foi, mm. de renouer avec l'histoire des prophètes et de leurs compagnons, mais encore, comme il l'a souligné, le pardon des péchés. Donc, euh, ça nous permet de nous purifier et d'avoir l'énergie euh, pour affronter euh, non seulement les activités de la vie quotidienne, avec espoir, parce que la foi aussi veut dire espoir, mais mener aussi la vie religieuse avec plus euh, de dévotion, mhm. avec plus de concentration, et de conviction. Je reviens vers vous, Oustaz Abdel Fattah. Umrah, elle est communément appelée petit Hajj. Quelle est la différence avec le grand Hajj Vous savez que quand on fait la Umrah, il y a le tour de la Kaaba qu'il faut faire. Il y a Safa et Marwa que l'on fait. Pour les hommes, après avoir pris le ihram à l'endroit bien indiqué. Et ça, c'est Umrah. Mais pour le Hajj, ça dépasse ces limites-là. Il faudrait d'abord quitter son point de départ, peut-être ça peut être à l'hôtel à la Mecque, se diriger à Mina. De Mina, il faut aller à Arafat. De Arafat, il faut venir à Muzdalifa, passer une nuit là-bas. Le lendemain, il faut venir à la Mecque pour faire euh, le tour de la Kaaba, venir euh, faire euh, Safa et Marwa, aller se raser. Ne pas passer la nuit encore à la Mecque, il faut forcément retourner encore à Mina et passer la nuit le lendemain et vice-versa, et pour revenir et finir le Hajj. Vous voyez que les travaux ne sont pas les mêmes. Mm, Donc c'est pour ça que lui, on l'a appelé petit pèlerinage, l'autre est appelé grand. Les gens qui effectuent la Umrah ont plus de chances d'avoir des plus grands mérites pendant mm-hmm. le Ramadan. Pourquoi mm-hmm. C'est un dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. Le prophète a dit un Umrah ou une Umrah accomplie pendant le mois de Ramadan, c'est comme si le monsieur a effectué le Hajj avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez quelque chose à ajouter, stade? Oui, euh, au fait, le Hajj, vous voyez, c'est-à-dire de la Umra au Hajj, on voit que c'est surévalué. Mais l'autre aspect, c'est de dire que pendant le mois de, béni de Ramadan, les actes qui relèvent de la Sunna ont la valeur des actes obligatoires. Donc vous voyez, donc ça revient à dire que celui qui fait la Oumara pendant euh, le mois béni de Ramadan. Donc c'est comme s'il a fait le Hajj en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Vous avez ce qui est important ici, c'est le de l'humanité, c'est celui qui a reçu la révélation. Donc c'est celui qui a fait, c'est lui le modèle à suivre et c'est lui qui a fait le modèle du Hajj et de la Oumara. Donc en tant que prophète, faire le Hajj avec, euh, il faut voir en dehors de l'aspect du Hajj, la valeur du Hajj. Donc, et puis un autre aspect, il y a euh, deux piliers de commun entre le Hajj et la Umrah. Mais il a des, pour, quant au Hajj, il y a d'autres environs, d'autres espaces, d'autres lieux qu'on peut visiter. Par exemple, le, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a dit, le Hajj, c'est Arafat. C'est de ça qu'il parle. Le Hajj même, c'est Arafat. Donc, il y a euh, d'autres endroits qu'on visite ou on fait des actes de dévotion qui ne sont pas inclus dans la Oumra, qui sont ailleurs. Et un autre aspect, il y a quelque chose de commun euh, que le pèlerin du Hajj euh, et les pèlerins de la Oumara peuvent faire, c'est la visite, la ziara à Médine et à ses environs. Là-bas aussi, vous savez qu'il y a des endroits très particuliers, la première mosquée, les cimetières de la bataille de Uhud, etc., etc., que les uns et les autres, ceux qui ont fait le Hajj et la Umrah, peuvent visiter. Mm. Vous avez parlé euh, plus haut de l'eau de Zamzam. Pouvez-vous un peu nous expliquer L'eau de Zamzam, c'est quand euh, Ibrahim a laissé sa femme Hajar avec son fils Ismaël. Donc, euh, quand il repartait, elle a vu qu'il à l'intention, elle a demandé euh, est-ce que c'est un résumé Est-ce que c'est ton Seigneur qui t'a demandé de le faire Elle a répondu que oui. Alors elle a dit, Inch'Allah, résumé, il nous suffira. Alors, euh, quand leur provision, elle l'a laissé avec des petites, euh, un peu de provision, un peu d'eau dans une outre, donc quelques dates, ainsi de suite. Alors, c'est au moment où l'eau est terminée donc, euh, désespérément, elle cherchait l'eau et elle montait dans le mont. Safa, elle va à Marwa, elle contemple pour voir si elle peut avoir une poche d'eau ou même euh, contempler un endroit où les oiseaux survolent. Et probablement, on peut avoir un point d'eau. Donc, euh, elle faisait cette course. Mm. Et tout est schématiquement présenté. Quand vous allez euh, bien que l'endroit est carrelé maintenant, vous allez voir qu'il y a même le reste du mont qui est laissé par-ci, par-là. Donc, oh, en revenant au mhm. pied de son enfant, elle a trouvé que l'eau a jailli, elle a dit zan, zan, mhm. Donc, c'est cette eau originale, cette eau de foi. Et par la grâce d'Allah, de soumission à Allah, elle n'a pas désespéré. C'est cette eau qu'on appelle Zanzan. Oui, justement, on voit euh, les pèlerins qui s'y rendent à la Mecque s'approvisionnent à cette eau. Quelle est son utilité euh, elle a beaucoup d'utilité. Vous voyez, dans beaucoup de soins, on utilise zanzam. Et, le prophète Mohammed sallallahu alayhi a dit, celui qui voit zanzam avec foi, euh, donc il fait un vœu, Inch'Allah, ce vœu sera exaucé. Mais avec foi. Cette eau a beaucoup de vertus. Et vous voyez, ceux qui font la rukia et pour beaucoup de traitements, on utilise. Pour revenir euh, sur la question de la Umrah, Oustaz Abdel Fattah, la umra a-t-elle un temps précis d'être effectuée Elle est effectuée en une journée, deux journées ou bien une semaine Quand on commence l'umra, on, on finit ça le même jour. En une journée, on peut effectuer tous les rites Oui, en une journée, on peut tout finir. Et puis, il n'y a pas une période spécifique pour faire. À n'importe quel moment, on décide de faire umra, on peut faire umra. Mm. C'est le Hajj qui a une, une, période bien déterminée au cours de laquelle le Hajj doit être fait. Mais la Oumra, c'est à n'importe quel moment. Vous avez votre visa, vous pouvez aller à la Mecque faire la Oumra. Mais il y a un lieu là où ça doit se tenir qui est à la Mecque. Est-ce que ce sont juste euh, les adultes qui doivent effectuer cette Oumra, parce qu'on voit souvent des petits-enfants qui partent en famille avec leurs parents Oui, il est obligatoire pour les adultes. Mais le petit enfant qui fait Oumra, c'est aussi valable. Mais quand il va atteindre la puberté, il doit réitérer, reprendre pour finir sur cette question, vous avez quelque chose à ajouter Oui, au fait, euh, la Oumara, là, c'est un endroit précis. Et quant à la Oumara, vous savez, la Kaaba, l'emplacement de la Kaaba, que nous voyons à la télévision, Safa et Marwa, c'est seulement à quelques mètres. Et c'est à l'enceinte du Haram. Mhm. Ce n'est pas loin. Donc, euh, c'est quelque chose, on n'a même pas besoin de longues heures pour finir la Oumara donc c'est sur le même lieu et c'est des rites à accomplir, la circumambulation autour de la Kaaba et Safa et Marwa. Donc les sept vases et Débuté le 27 mai dernier, le ramadan prend fin dans quelques jours. À la fin donc du ramadan, il est recommandé aux musulmans de faire la zakat el-fitr. Alors nous abordons cette question de la zakat el-fitr, Oustaz Fatah. La question ici, c'est de savoir c'est quoi la zakat el-fitr Pourquoi faire cette zakat D'abord, il faut comprendre par zakat purification. Et filtre veut dire rupture. Donc, à Zakat, c'est l'aumône. Donc, l'aumône de la rupture du jeûne de mois de Ramadan. Et pourquoi cette Zakat-là a été instaurée Purifier d'abord le jeûneur et purifier aussi sa fortune. Le second but pour, pour euh, lequel on doit prélever la zakat, c'est l'entraide. Il faut partager la joie. Il faut penser aux autres. Il ne faut pas être égoïste, fêter seul, puisqu'il est dit que la morale islamique nous dit que ce n'est pas celui-là qui s'est habillé, qui a porté de beaux habits, qui a fêté. Mais celui qui réellement a fêté est celui-là qui a pensé que l'an passé j'étais avec un tel. Il n'est plus. Un tel qui n'est plus là, il a laissé une famille. Il y a une veuve. Il y a des orphelins. Mais la fête là, je ne dois pas être égoïste et fêter seul. Donc, je dois aller leur donner quelque chose. C'est ainsi que il y a les indigents qui n'ont rien, les miskines. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, en prélevant donc euh, la zakat al-fitr au cours du mois de Ramadan, il arrive que nous ayons posé des actes qui ne sont pas corrects, c'est pour expier. Le second but, maintenant, c'est pour éviter à ces mendiants, le jour de cette fête-là, d'aller encore tendre la main à quelqu'un. Mm. Mais malheureusement, toute la journée encore, ils sont là en train de vadrouiller et demander. Oustaza Haladou Yahya, cette euh, zakat est-elle obligatoire et pour qui elle est Oui, cette zakat, elle est obligatoire pour tout père de famille et toutes les personnes qui sont qui vivent sous le même toit avec lui. Mais il y a un délai, de rigueur un délai obligatoire et une période à partir duquel c'est supposé avoir été distribué ou remis aux ayants droit l'objectif est de, purifier, mais aussi de ne pas laisser, comme on le dit en droit, la loi de Dieu en des On fait un texte, mais on ne l'applique plus. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa miséricorde, a fait de cette monde comme il l'a dit, l'aumône purificatrice, ça aide à purifier davantage celui qui a déjà prêté foi à Allah, qui s'est soumis à travers le jeûne et le commet des erreurs, à la lettre, davantage à recouvrer et par ce qu'il a, c'est qu'il a recouvré sa piété et à travers cette négligence. Mais aussi, il y a eh, un aspect eh, qu'il ne faut pas, qui est très important, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelé dans le Saint-Coran à tout moment. Pour toute mauvaise action, il faut la suivre d'une bonne qui va l'effacer. Donc voilà euh, un autre aspect. Vous dites que. C'est-à-dire euh, Donc, euh, une bonne, toute bonne action accomplie, il faut la suivre d'une. De toute mauvaise action accomplie, il faut la suivre d'une bonne qui va l'effacer. Mm. Donc, on observe les jeunes, on prononce des paroles obscènes. Allah a, obscène, institué, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a institué la zakat al-fitr qui fait partie du programme de la lutte contre la pauvreté prévue par l'islam. Donc, il a institué la zakat al-fitr pour purifier le fidèle, pour l'amener à effacer les péchés, donc pour l'amener à progresser. Nous voyons à travers euh, cette pratique qu'il y a vraiment la miséricorde, la guidance de Dieu et l'assistance et de Allah subhanahu wa ta'ala sur ses fidèles. Alors, euh, Oustaz Abdel Fattah, cette euh, zakat, qu'est-ce qui est recommandé euh, pour faire cette offrande Oui, il est recommandé de donner tout ce que nous avons ici comme aliment que nous consommons. c'est le riz, c'est le mil, et vice-versa. Tout ce que nous consommons ici, sur place, régulièrement, c'est dedans que nous, devons prélever quatre moudres tel il a dit, le chef de famille, d'abord, doit prélever ça pour tous ses administrés. Tous ceux qui sont sous sa coupe, qu'ils soient petits enfants, qu'ils euh, soient adultes, le chef de famille doit accomplir cela. Donc, euh, l'argent n'est pas recommandé pour cette offrande Il y a des, marabouts qui ont recommandé l'argent et il y a d'autres versions qui en sont venues dire que non. Si l'argent doit être donné, le prophète sallallahu alayhi wa l'aurait dit. Dire qu'il faut donner l'équivalent en argent. Mais il faudrait plutôt donner ce que lui, il a ordonné de, de, donner. Tout à l'heure, vous avez parlé de est-ce que c'est obligatoire Quand un ordre vient du supérieur, l'ordre doit être exécuté. Mm-hmm. Voilà, donc c'est obligatoire. Donc, euh, si on doit comprendre ici, cette zakat, il est juste recommandé de donner des vivres. Oui. Donc, même des habits, on ne peut pas offrir à des. Non, non, non. Étant donné que l'exemple qu'on nous a donné, l'homme type qui est le messager, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il a fait Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tout acte que vous allez poser dans cette religion, une fois que vous ne vous conformiez pas aux pratiques du messager sallallahu alayhi wa sallam, je n'en veux pas. Mhm. Donc de ce fait, il faut connaître comment le prophète a agi durant sa vie et servir de son exemple. Quand on essaie de quitter sa voie c'est ça qu'on appelle innovation. Alors donc, quelle est la quantité recommandée pour euh, l'offrande Oui, c'est quatre moods tel que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, ou bien un saï. Un saï, c'est quoi Un saï équivalent à, quatre moods. Et un mood, juste, c'est la contenance des deux mains pour quelqu'un qui n'est pas très grand et qui n'est pas très petit. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, euh, Oustaz Haladou, est-ce qu'on euh, on peut donner plus ou moins cette quantité qui est recommandée, les quatre modes. bon, Comme elle l'a dit, il faut imiter le prophète Mohammed c'est un parfait modèle à suivre, à imiter. C'est les quatre dont il a parlé. Donc on ne peut pas parler de moi. Bon, si moi je prélève, après avoir prélevé, j'ajoute encore, là ce n'est pas mauvais. Mais il faut préciser qu'il est important aussi, puisque ce qui est recommandé de prélever, c'est ce qui est le plus généralement, c'est ce que je consomme. Il est important à celui qui consomme du riz régulièrement. Il y a des gens qui ne consomment pas du mil, mais qui consomment du riz, qui ne consomment que du riz ou des pâtes et des pâtes alimentaires. Il est important qu'ils prélèvent dans cela pour être un peu juste parce que c'est une question d'équité. C'est toi qui es imposable, donc tu es imposable relativement à ce que tu es relativement à ta vie. Bon, ça c'est très important aussi à souligner. Et parmi les gens auxquels il faut prélever, il faut préciser jusqu'au nouveau-né. Quelqu'un qui est l'enfant qui est né avant d'être prélevé, on lui prélève aussi. Et, cette euh, aumône doit être remise avant d'aller à la mosquée pour la prière. Mhm. Ça, c'est un délai obligatoire pour que vraiment ça tienne lieu de sa quatre fitr comme il l'a précisé, l'aumône de rupture. Donc, après avoir prélevé, il faut la remettre le matin avant d'aller à la mosquée. Et donc, à qui doit-on donner cette zakat Quelles sont les personnes euh, Les personnes, oui, les personnes, euh, ce sont les huit catégories de personnes mhm. qui doivent, euh, qui peuvent recevoir la zakat. Quelles sont ces huit catégories Ces huit catégories de personnes, il y a le voyageur, il y a les nécessités. Foukara, comment on va les expliquer Les mendiants, Bon, d'abord, il faut d'abord donner aux pauvres, aux, pauvres, nécessités, aux et aux voyageurs. À ah, et, oui, et Ceux, qui collectent la zakat même. Voilà. Ceux qui ou, ou ceux qui sont lourdement endettés. Endettés, ceux qui sont endettés. Mhm. Ceux qui collectent la zakat, c'est pas bien saisi. Ceux qui collectent la zakat, c'est qui La zakat, les personnes qui, sont, qui administrent la zakat, le collectent, ils prennent ah. auprès des gens. Oui. À supposer aujourd'hui qu'on ait une administration religieuses voilà. pour trouver les nantis et leur demander que, bon, voilà, votre zakat le fitr là, il faut amener ça au trésor public pour qu'on puisse distribuer. Donc ceux-là qui vont aller collecter, eux aussi, il faut leur donner. Il faut leur donner. Hmm. Donc, et, après, il reste deux. Oui, oui. Hmm. Donc, on, euh, a dit les endettés. Hmm, on a dit les endettés, il y a les voyageurs. Et maintenant, euh, l'autre catégorie, c'est... Pour, pour affranchir, pour les, affranchir esclaves. les esclaves. C'est mm. ça, pour l'affranchissement des esclaves. Donc, une catégorie. Ces personnes, c'est à eux qu'on doit donner. Les mêmes qui peuvent recevoir la zaka en tant que pilier de l'islam. La zaka, l'aumône obligatoire. Mm. Oustaz Abdel Fattah, et quel est le mérite d'une personne qui vient de faire cette zakat il a la, la satisfaction de son Seigneur. C'est comme si aujourd'hui, vous qui travaillez ici, quand <laughs> le directeur vous demande de faire un travail et que vous le fassiez, qu'est-ce que, comment est-ce que vous vous sentez au sein de ce service hein? Moralement, on est satisfait et on attend la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement ici-bas et le jour de la résurrection. Il arrive que certaines personnes n'aient pas ça, n'aient pas euh, de quoi les moyens de, les moyens de prélever. Ceux-là, s'ils arrivent à recevoir d'autres, à partir des autres, ils peuvent prélever à partir de ce qu'ils ont eu. Mm. Et ensuite, maintenant, celui qui n'a que pour la nourriture du jour là et le reste, ce n'a que ça, il peut remettre eh, aux autres en tant que zakat al même si ça n'atteint pas les mesures. C'est ce que certains oulémas mm. ont euh, donné comme solution. Ce qui lui reste là, il prête foi à Dieu, il donne ça comme au monde de rupture. Inch'Allah, ça suffit. Donc, si on comprend, un pauvre qui vient de recevoir plusieurs zakat peut lui aussi prélever. Il peut prélever, le prélève de lui aussi le donne. Alors, euh, pour revenir. Oui? D'abord, hein, il faudrait comprendre quel est l'intérêt de l'aumône. L'aumône fructifie encore hein, votre richesse. Le messager nous a dit, alayhi wa sallam, que aucune richesse, aucune fortune ne finit parce qu'on prélève le monde dedans. Il a juré. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est un serment. Le prophète a juré. Et, Allah nous dit quand vous posez un acte de charité, lui, Dieu, il vous récompense dix fois. Les compagnons ayant compris cela, s'ils sont pauvres, le gars, il a 100 francs seulement dans sa poche. Ou bien il n'a rien, il cherche dans la maison. voilà, est-ce que j'ai une pièce dans la maison Ils prennent cette pièce-là allez faire de l'aubône et ils viennent à la maison attendre parce que Dieu t'a dit que si je donne 100 francs, tu vas me donner 1000 francs. La suite de ce forum, dans probablement trois ou quatre jours, la communauté musulmane célébrera la fête des Delphitres dans le monde entier. Le, jour même de la fête de Ramadan, l'on assiste à des balais de tasses les unes plus appétissantes que d'autres. Les fidèles s'échangent les repas parce qu'ils ont tous les moyens laissant les vraies nécessités sur le carreau. Alors, qu'est-ce que l'islam dit sur ce comportement au stade Haladou D'abord, il est important en matière de repas, de préparation, de tenir compte des autres, les voisins, les nécessités, parents, tant que c'est possible c'est pourquoi le prophète a recommandé quelque part, il faut faire en sorte que la sauce soit élastique pour que d'autres puissent profiter. Mais il a dit aussi quelque part euh, le pire de festin, c'est là où on invite euh, les riches, ceux qui ont les moyens, les hauts placés ou les hauts gradés, les bourgeois, on laisse de côté les faibles, les nécessités. Et c'est pourquoi il est très important. C'est une épreuve. La richesse que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, c'est une épreuve. Il faut qu'on prête attention à cela. Parce que à travers cette, cette richesse qu'on nous a donnée, c'est pour un office, c'est pour un service. Service en direction des nécessités, service en direction de sa religion, service en direction des voisins, service en direction des faibles et des parents. Donc euh, cela est très important et c'est une épreuve. On nous a donné pour nous éprouver, mais est-ce qu'on va vraiment exercer, s'occuper de tous ces volets-là qu'on a cités et qu'on n'a même pas cités C'est pourquoi c'est très important. Il est important de prendre conscience de tout cela et d'en tenir compte le jour de la fête. Et il n'y a pas que les repas jusqu'aux habits. Mais on, on oublie qu'on a perdu nos frères, nos oncles, nos voisins, nos amis, et qu'il y a encore leurs veuves qui survivent, et il y a leurs enfants, les enfants qu'ils ont laissés orphelins. Et mm-hmm. on, ceux qui sont euh, euh, victimes des mm-hmm. fléaux, mm-hmm. et on habille, on s'habille correctement, on habille correctement nos enfants, on les abandonne. On dit que c'est un comportement à éviter donc. Donc ça, c'est un comportement à éviter. Normalement, la fête, quand on en a, c'est-à-dire, c'est pour créer une ambiance autour de soi. Tous les textes qu'on connaît, qui sont relatifs à la sociabilité, à la compassion, à l'entraide, on doit faire de son mieux pour les mettre en valeur. Parce que là, on prend conscience, surtout la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est une fête. Toutes les fêtes sont le symbole de quelque chose. Mais regardez, on sort d'un pilier de l'islam où Allah nous a promis la piété. Et Allah a dit Vous n'attendrez jamais la piété tant que vous ne dépensez pas de ce que vous chérissez. Mhm. Donc, en venant à cette fête, il est important de tenir compte de tous ces aspects pour réussir dans notre épreuve parce que Allah nous regarde. Est-ce qu'on va vraiment exercer notre devoir convenablement Oustaz Abdel Fattah, un autre constat, pendant ce mois de Ramadan, les mosquées sont remplies de fidèles, qu'ils soient hommes ou femmes, mais juste après le Ramadan, l'on constate euh, moins d'affluence dans ces lieux de culte. Pire, certains renouent euh, avec certains comportements. Comment doit se comporter le musulman après Ramadan <laughs> D'abord, il faut éviter d'être hypocrite. Ceux qui viennent donc euh, remplir les mosquées au début du mois, qui, avant la fin du mois aussi, quittent, c'est qu'ils sont hypocrites, ils sont mal intentionnés. C'est pour ça que n'importe quel acte que le musulman doit poser, d'abord, il y a l'intention. Pourquoi je dois faire Est-ce que nous faisons pour plaire à Dieu ou on fait pour plaire à X ou Y Ah, ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce que j'attends dedans Est-ce la satisfaction de Dieu ou la satisfaction des hommes C'est ça qui va nous permettre d'être performants tant qu'on ne cherche pas l'agrément de Dieu dans ce que nous faisons, c'est voué à l'échec. Mhm. Donc, ce qu'on appelle à ikhlas mhm. il faut faire exclusivement à cause de Dieu. Deuxièmement, conformément aux pratiques du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et sur l'ordre de qui Ce que nous sommes en train de faire, c'est Dieu qui nous a ordonné ou c'est le messager qui nous a ordonné Voilà les trois aspects qu'il faut respecter pour faire à cause de Dieu, pour que l'intention soit bonne. Selon certains religieux, après avoir rempli le devoir du mois de Ramadan, le messager d'Allah encourageait encouragé de jeûner six jours au cours du mois après le Ramadan, une occasion pour les fidèles musulmans d'acquérir une grande récompense. Oustaz Abdallah Yahya, quelle est la signification de ces six jours supplémentaires la signification de ces six jours supplémentaires, c'est ce qu'on appelle le sita shawal, donc c'est le séjour de jeûne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a observé lui-même et il a recommandé euh, de le faire. C'est lui qui le fait euh, et après avoir jeûné le mois béni de Ramadan dans sa totalité, les 29 ou les 30 jours, plus les 6 jours. Quand, quand on jeûne 29, c'est considéré comme si vous avez jeûné 30. 30, jours. Nous, suivons. Voilà. Et de ce Maintenant, côté, on a jeûné 6 jours. Donc, Allah dit que c'est lui posez, qui vous gênez tout celui qui accomplit une bonne œuvre, oui. Allah va la lui multiplier par 10. Mhm. Donc, vous faites les 30 ou les 30, vous faites plus les 6 et vous par 10, vous allez voir que c'est l'équivalent d'une année d'adoration. Donc c'est comme si on a passé une année en train de jeûner. Et donc à quel moment on peut commencer ces six jours de jeûne Est-ce jour, est-ce que on l'entame juste après la, fête de Ramadan le lendemain On l'entame. Certains oulémas euh, disent de décaler d'une journée, d'au moins une journée. Mais cela est très important. Mais je voudrais rebondir sur quelque chose de, par rapport à la question euh, que vous venez de lui poser, l'après-Ramadan. Et donc, euh, le mois de Ramadan, on, on dit miséricorde. C'est vraiment une miséricorde. Non seulement Allah a augmenté, surévalué les actions, les bonnes œuvres accomplies et toutes les bonnes œuvres accomplies, serait évaluées qu'elles soient obligatoires, sunna, etc., etc., serait évaluées. Mais c'est une mesure corde à, considérer qu'on nous laisse comme ça continuer, sans gêne du mois Ben Ramadan. Mm-hmm. On va continuer, peut-être dans nos péchés, on va continuer sans, mais c'est l'exemple du, du moteur. Mm-hmm. Sans vidange ni révision, ça risque d'éclater, c'est la catastrophe ou d'être bloqué, on ne peut pas continuer. Donc, euh, ici, là, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, nous a époussé. Mhm. Maintenant, on nous, a, nous a relancé, nous a fait survivre jusqu'à Ramadan. On nous a époussé, purifiés. Allah nous aide encore, toi qui as la chance de dépasser Ramadan. On, revient, sur la question du jeûne des, six jours, Oustaz Abdel Fattah. Qui sont les, personnes qui peuvent faire ces six jours de jeûne Oui, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man sama Ramadan, quiconque aura jeûné Ramadan. Et il a fait suivre de six jours dans le mois de Ramadan, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Donc, le 30, les 30 jours du mois de Ramadan, multipliés par 10, on a 300. Les 60 et les 6 jours de Shawwal, multipliés par 10, on a 60. Donc 300 plus 60, ça fait combien Ça fait 360 c'est comme si on a jeûné 12 mois. il faut d'abord que la personne jeûne Ramadan. Ensuite, jeûner 6 jours dans le mois de Shawwal, juste ce mois-là qui suit Ramadan. Alors, quels sont les mérites de, ces 6 jours de jeûne oui, les mérites sont là. On dit que, c'est comme si vous avez gêné toute l'année. Toute l'année. La récompense que vous gagnez, c'est comme si vous avez gêné Ramadan, non 30 jours. Vous avez jeûné dans Shawal 6 jours. Donc la récompense à vous attribuer, vous avez jeûné 12, 12 mm. mois mm. de l'année. Et donc, euh, une autre question, stade Yahya, pourquoi il est interdit de jeûner le jour de la, de, la fête même Oui, c'est parce que c'est la, journée de la fête, c'est pourquoi il est, il est même recommandé le, messager a dit, c'est un jour de joie oui. où tout un chacun doit mm. manger et boire. Mm. Donc, il a instauré, il dit que c'est interdit à un musulman de jeûner ce jour-là. Oui. Donc c'est un ordre. Mm, c'est une journée où on, a pris pour Aïd el-Fitr, on a pris conscience en quelque sorte de sa piété et on est fier d'avoir servi son Seigneur et on est fier on est d'avoir d'un service. et, c'est le jour de la récompense. Le jour de la récompense. Euh, mhm. Donc c'est pour toutes ces raisons, c'est la journée de la fête et c'est pourquoi elle est recommandée, il est souhaitable pour la fête de l'Aïd el-Fitr, il est souhaitable même de manger, de mettre quelque chose sous les dents mhm. avant d'aller à la prière le matin, contrairement à la prière de la Tabaski alors, alors, pour finir, avez-vous des, des, appels à lancer Je commence par vous, Stas Abel ah, moi, mon, appel hein, que j'ai à lancer, c'est d'éviter le gaspillage. Mhm. D'abord, le Coran a dit tusrifu Mangez et buvez. Ne commettez pas d'excès. Dieu n'aime pas ceux qui commettent l'excès. Mhm. Ça, c'est un. Et encore dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wa wal miskin sabil wa la min shayatin. Donnez à vos proches parents leurs droits dans ce que vous détenez comme richesse. Suivez-moi. Et il dit évitez le gaspillage. Ceux qui gaspillent sont les frères du démon. Donc pour quelqu'un qui a passé 30 jours en train de gêner, il va poser des actes pour se faire désavouer d'abord qu'il n'est plus aimé par Dieu, ou bien il pose un autre acte, il devient le frère de démon. Et vous voyez là où je vais encore attirer notre attention. La pentade coûte combien avant le mois de Ramadan 2500 peut-être. Maintenant, avec Ramadan, peut-être on a rehaussé le prix jusqu'à 7500 ou bien 8000. Surtout à l'approche de la fête. J'arriverai. Hein. Pour quelqu'un qui doit obéir à Dieu, à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est normal qu'il soit idiot, quoi Merci, merci. S'il vous plaît, j'arrive. Vous voyez, pour quelqu'un qui, est, qui, qui, qui, sert la coalition au pouvoir, il est heureux, non Il est content. Mhm. Mais pourquoi on doit suivre Dieu et son messager sallallahu alayhi wa sallam et être encore dans la gêne mhm. Alors, euh, Oustaz vous, quel est votre appel euh, effectivement, c'est dans le même ordre d'idée. C'est de vraiment de penser aux autres. Certes, euh, la religion condamne la mendicité, l'islam condamne la mendicité, mais c'est de penser aux autres. Il y a beaucoup d'intérêts qu'on laisse dans l'abandon des orphelins, des veuves, des proches parents pauvres, des enfants, des fils de nos, des fils de nos parents, qu'on laisse dans l'ignorance et qui peuvent être une bombe à retardement pour nous-mêmes et pour la société. On dit que la situation est difficile, devenue difficile alors que voilà ce que Dieu nous a dit. Mm. Il faut essayer d'être bon pour les autres. Allah va être bon avec vous. Mm-hmm. Il faut être compatissant. Allah va être compatissant. Dépenser comme il l'a dit. Dépenser un, Allah va vous multiplier par 10. Dans le Coran, il dit 700. Voilà en réalité ce qui nous amène à certains blocages. On devient individualiste peindre. Et on n'aime pas le travail et on est contre même le travail bien fait. Que Dieu nous assiste. Il faut qu'on prenne conscience. Et il faut qu'on prenne conscience de l'aspect, la fraternité islamique là. Et la valeur humaine, elle est très importante. Mm. Il faut qu'on évite cette division. Regardez comment. Pour lire la division que nous vivons, il faut seulement regarder les mosquées. Mm. Les unes à quelques mètres des autres il y a interférence dans les appels de prière. Vraiment, il faut qu'on évite ça. Et la fraternité musulmane, elle compte pour beaucoup. Si on veut changer notre situation, le social, il faut qu'on s'en occupe, mais aussi Ramadan est venu nous recycler. Ça, là, il faut qu'on essaie. Jeûne surrogatoire, lundi, jeudi, c'est là. Mais aujourd'hui, on remplit les mosquées à la recherche des bénédictions de cadres. C'est très bien. Mais il y a les jeunes surrogatoires qu'on peut continuer. Les qu'on peut continuer. Toujours avec les mêmes récompenses. Pardon de Dieu, bénédiction, paradis. Mhm. Tout est là. C'est tout l'année dans son ensemble. Toutes les nuits. Toutes les journées sont parsemées. Merci Oustaz Halal Nous sommes au terme de ce forum de ce soir. Nous avons traité des différentes questions celle de la Umrah, de la Zakat, elle filtre du comportement du musulman après Ramadan. Nos remerciements vont à l'endroit de nos invités. Il s'agit de Oustaz Abdul Fattah, il est prédicateur. Merci Oustaz d'être venu. Merci également à Oustaz Haladou Yahaya d'être venu. À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo et très bonne rupture de jeûne à vous qui nous écoutez. À demain.